KMTV une chaîne YouTube pour les indil ay xibaar yu Je c'est maître Ousseynou Ngom avocat à la cour je fais partie du pool des avocats constitué par la coalition Wallou Sénégal constitué d'éminents avocats parmi lesquels par ordre d'ancienneté bien sûr maître Fodé Ndiaye maître Mohamedou Bamba Sissé, maître Ousseynou Ngom moi-même et maître El Ndiaye, monsieur le maire. Alors, euh, nous avons introduit effectivement un recours en annulation devant la Cour d'appel de Dakar, un recours dirigé contre les élections municipales du 23 janvier 2022 pour la ville de Piquet. Parce que nous avons constaté effectivement la coalition Benno Bakoyakar a été déclarée vainqueur. Seulement, des irrégularités manifestes ont été notées dans plusieurs communes, dans plusieurs centres de vote, dans plusieurs bureaux de vote. Et contrairement à ce qui se passe peut-être dans ce genre de situation, nous avons des preuves matérielles, parce que c'est cela la difficulté justement dans ce cas de figure, dans ce genre de situation. Les preuves, parce que je rappelle que la Cour juge sur pièce. Donc nous avons pu déceler au moins cinq irrégularités patentes qui entachent directement la validité scrutin. Et je précise bien que ces irrégularités ne portent pas sur un, deux ou trois PV, mais sur des dizaines, voire une centaine, si je peux bien, bien, bien m'exprimer ainsi. Et ce n'est pas une exagération. Cela veut dire quoi Que véritablement, aujourd'hui, nous demeurons convaincus si la Cour d'appel fait droit à notre requête et on a vraiment toutes les raisons d'y croire. Parce que comme je l'ai dit, ce sont des raisons objectives, ce sont des arguments fouillés, des arguments qui sont assis sur des preuves irréfutables. Donc nous avons véritablement toutes les raisons du monde d'espérer que notre recours va aboutir. Et donc, si éventuellement ce recours aboutissait, il est évident que la coalition Wallou Sénégal, dirigée par l'honorable maire Dr Cherdien, gagnera les élections. C'est la déclaration que je voulais faire en français. Maintenant, si vous permettez, me vais vous donner un Euh maître avocat à la cour bokk d'avocats coalition Wallou Sénégal

coalition bi ñuy wax Benno Bokk Yaakaar ne moo jël ndam li dafa am ay ay irrégularité yu bëri bari bari yoo xam ne dañ ko ci saytu te du ay irrégularité yoo xam ne dañ ko wax nii pour wax ko ndax li gën a jafe ci situation yi ni mel recours bi nga xam ne dugal nañ ko li si gën a jafe mooy nga am firnde li nga xam ne teg ko ko ci table àttekaay loolu moo gën a jafe waaye ñun yàlla sutural nañu te liggéey boobu mi ngi tàmbali nag parce que tamit il faut ñu ñu wax ko xëy na si parti français bi tëboon naa ko waaye dafay baax nga leeral ko liggéey bi mi ngi tàmbalee ci ki nga xam ne moo doon mandataire euh, wàllu Sénégal ku ñuy wax def ben liggéey bu mucc ayib ndax li si gën a remarquable mooy bi mu ñëwee procès verbal bi nga xam président commission départementale de recensement

moy preuve yi parce que encore une fois attekaay boobu du ñu atte ci ay wax lépp lu ñuy fay teud teud euh ci ay preuve irréfutables comme niñ ko waxé ci tubaab donc procès verbal bobu Dame Dieng def ci liguey gu am solo relever juróomi irrégularité juróomi irrégularité yooyu lañ jël jën ko togg def ko ci suñu recours bi nga xamné mom lañ ko def ci moyen yi nga xamné yon non noonu la ko bëggee ñu am yaakaar ndax euh, irrégularité yi laalul ben wala ñaari commune laalul ben wala ñaar centre de vote laalul ñaar ben wala ñaar bureau de vote ay dizaines de centres de vote de bureaux de vote et de communes PV c'est des centaines donc ñu am yaakaar que ne bu ko bu cour bi nango liñ ko laaj annuler procès verbaux yooyu inshallah, inshallah ndam bi dina ñew ci loxo coalition wàllu bi nga xam ne docteur Cheikh Dieng moo ko jiite. loolu mooy déclaration yi ma bëggoon am te ngeen comprendre que ne mënu ma woon dugg dans les détails parce que suñu liggéey tamit dafa am lu mu ñu tënk mënoo déposer rek ba pare dugg dans les détails moo tax fii rek lañ ko mënoon yemale ngeen comprendre ne dañ ko def pour leeral askan bi wax leen ne effectivement ñi ko sekkal ay légaliste lañ ndax mënoon nañu def leneen mënoon na def comme moromam yi lu ñu def génn jour boobu jubilé mais defu ko dafa toog jël ay avocat am suivre li nga xam ne loi wu dëkkam loolu la wax def recours te di xaar incha allah am si ndam jërëjëf. KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaax yu wóor te leer